Tenue à Maradi du 5 au 7 octobre 2019, la quatrième édition du festival des contes, kerari et danse traditionnelle dénommée Taritariri. Taritariri des vocales Hausa, qui veut dire tout simplement retraite au flambeau. Un festival qui traite des questions de la renaissance culturelle, de la cohésion sociale, de la culture, de la paix de l'unité nationale et de la santé de la population à travers des sensibilisations. Ce festival a vu la participation des directeurs régionaux de la culture, représentants du ministre de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale, le directeur régional du tourisme, représentant du ministre du tourisme, le directeur régional de l'ERICH, les élus locaux et le chef traditionnel de la région de Maradi. Ce festival bien invité rentre dans le cadre de sauvegardes de notre patrimoine artistique et culturel et immatériel du Niger. Le promoteur de ce festival, M. Tassio Bakoy, a signé les objectifs de ce festival. pour amener les jeunes à aimer leur patrimoine culturel et à connaître leur patrimoine culturel, à savoir la danse traditionnelle, la musique traditionnelle, les chants traditionnels, les contes traditionnels, Kerali et autres choses à ce qui concerne la culture en tant que la culture nigérienne. Donc nous voulons à travers ce festival, les jeunes s'intéressent à leur habit traditionnel, à leurs chansons traditionnelles, à leur pas de danse traditionnelle, à leur habit traditionnel, etc., etc., etc. Pour service rendu à Action culturelle, le coordinateur national du syndicat national des artistes et producteurs des films du Niger, Sinafin, a décerné un témoignage de satisfaction à M. Tassio Bakoy, promoteur de ce festival Tartariri. D'après le directeur régional de la culture de Maradi, représentant du ministre de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale, M. Ousmane Moussa, cet artiste, M. Tassio Bakoy, promoteur de ce festival Tartariri, mérite d'être soutenu. Au nom du ministre de la Renaissance culturelle des arts et de la modernisation sociale, je prends la parole pour féliciter l'organisateur, le détenteur de ce festival, M. Tassou Bokoy. Tassou se débat pour la survie de ce festival, pour vraiment euh, essayer de revitaliser notre patrimoine culturel. Vous avez vu euh, tout de suite les Arras de Katena, les Yambori de Katena qui sont venus pour animer ce festival. Donc il est là pour que notre patrimoine immatériel soit revitalisé. Donc c'est quelqu'un à féliciter. Au nom du ministre de la Renaissance culturelle, nous te présentons toutes nos félicitations pour la grande réussite de ce festival et nous t'encourageons à encore augmenter du courage pour que ce festival soit grand et qu'il dépasse la frontière de Madaroufa et la région de Maradi pour qu'il soit un festival national. Les artistes célèbres de la région de Maradi, d'Agadez et du Nigeria ont pris part à cette cérémonie de l'ouverture de la quatrième édition du festival Tartariri. Selon les responsables de l'Institut de recherche en sciences humaines, M. Issoufou Abou ce festival valorise toute la culture de la région de Maradi. Maradi a un potentiel énorme en matière de la culture, mais si on ne paye pas attention, ce patrimoines risque de disparaître. Mais avec des gens comme Boko qui vraiment fait beaucoup immortaliser la culture dans la région de Maradi, son note est encouragée. Enfin, il a lancé un appel aux autorités de mettre les moyens pour valoriser cette Par les maires de la région de Maradi, pas seulement les maires du département de, de Madarouba, mais tous les maires de, la région de Maradi. Merci Tassou Bokoy, du courage. Merci tous les artistes qui sont venus ici pour soutenir, pour encore soutenir Tassou dans les efforts pour grandir ce festival.